alaikum, Pensée du 15 de 2020. Les individus sont si habiles qu'ils sont capables de nous renvoyer les mêmes balles que nous leur lançons. Un cœur rempli de méchanceté trouvera toujours un autre beaucoup plus méchant qui saura lui enseigner à combien ont souffert ses victimes. Le mal retournera toujours à son porteur. Sanante su mënul ñak xobu garab rek doyna ci prière du jour Al-Kahar, que la joie et la sérénité soient à notre portée bon début de semaine d'abord